indi benn parce que depuis processus bi bu ma amee problème ba ngi la jeunesse de l'opposition chère à Kanole les leaders de l'ennemi utiliser pour ñu porter ay combat combats xam euh, intérêt du Sénèque. je dirais que c'est faux parce que nous la jeunesse de l'opposition nous sommes une jeunesse assez responsable une jeunesse politique qui suit l'actualité qui porte le combat de la démocratie depuis presque 5 ans, maintenant c'est presque 10 ans, à ce jeune négocié opposition. Quand on a dit que quand on a dit que saga, quand on a dit que nous posons actes de c'est des actes de c'est pas responsable. Je suis dit que je suis dit que je suis Mohamed Dien, avec les jeunes, on a été investi sur le site. On a été investi sur le site national, sur départemental, sur le site de l'Espagne. Donc, on a dit que nous avons dit que Mohamed tout la jeunesse politique de l'opposition depuis 1960 ba léegi exemple l'événement la joxe événement mars passé 14 jeunes d'ailleurs, Pourquoi fukk jeunes jeunes sont tombés pour la lutte de la démocratie au Sénégal jeunesse jeunes, ne ils ne ils sont pas plus méritants que nous Nous, pourquoi nous dire cadre gi on appelle à la jeunesse politique et à la jeunesse de manière générale du Sénégal Je commence ici étudiants yi ici, commerçants si peu bépp acteur socio-économique boo xam ne le ngi ngi pour Sénégal bu neex lenn la indi comme précision ñun suñu combat yëpp ak suñu marche pacifique nous ñu nous avons def yëpp une provocation d'ailleurs je dama koy fi wax vous ay un jot qui ni qui di Bamba Fall mi ngi recruter ay pour attaquer nous donc les gens qui koy tontu si et ak même commissaire Keta, ex commissaire Keta, nous <coughs> préparent une tentative de sabotage le marche pacifique du suba Nous, on a assez d'expérience politique Une provocation taxu ñu nous suba on a un message à délivrer aux Sénégalais on a un signal à monter au président Macky Sall président boo il n'a jamais eu de politique de jeunesse depuis mu nekk si pris vision pour la jeunesse zéro il a fait un échec total par rapport à la politique de l'emploi des jeunes Bataille, tey musul aussi de la jeunesse bi musul jël des politiques à part de leen conférence à part de leen nous yoo tout ce qui l'intéresse moi, xool nan la le pouvoir te moom su amoon gëm il dëgg dina jox respect et considération à la jeunesse aux étudiants à tous les jeunes sénégalais parce que je ne pas ko en 2012 loolu xam ko mais tey jeunes yi dañ ko toroxal par rapport à sa politique par rapport à sa stratégie Nous nag kon on ko waxee tout c'est la fête de la démocratie Nous ñëpp génn à partir de 9 h sur les couleurs nationales du pays génn accompagner nos leaders aller comme retour délivrer le message pour le Sénégal parce que je pense que depuis tout kuy a am au moins processus bi yëpp presque yëg ko suñu mandaté national mi ngi nii bépp processus depuis si dépôt ici yi si parrainage si correction yi il a partagé ça à la presse donc tay nek nu fi tay pour ñëwaat sur les sur les investitures wala sur le problème de liste lu lu indi tey mooy woo suba c'est la fête de la démocratie da ñëpp xëy